Ceci est la déclaration du Front de la Résistance. Ce dimanche 25 février 2024, privant les Sénégalais de leur droit constitutionnel à élire leur prochain président, M. Macky Sall a rompu avec la tradition républicaine de près de 60 ans, orchestrant ainsi un affront sans précédent à notre démocratie en annulant délibérément l'élection présidentielle. Il a non seulement violé notre Constitution, mais aussi défié ouvertement l'autorité du Conseil constitutionnel. Malgré la décision irrévocable du 15 février 2024 d'organiser dans les meilleurs délais le scrutin avant la fin de son mandat prévu le 2 avril 2024, le président persiste dans son refus, révélant ainsi une intention claire de déstabiliser et de manipuler le processus électoral à son avantage. En choisissant de s'écarter de la tradition sénégalaise de transfert pacifique du pouvoir avant la fête de l'indépendance, M. Macky Sall a volontairement choisi de plonger notre nation dans une crise constitutionnelle avec pour dessein évident de conserver le pouvoir par des voies illégitimes. Cette violation de la Constitution, masquée sous un simulacre de dialogue, vise à prolonger indûment son mandat, créant un vide juridique dangereux et une gouvernance illégitime. Nous sommes face à une trahison nationale, une attaque frontale contre les principes mêmes de notre République. Le peuple sénégalais se dresse contre cette usurpation. Nous ne pouvons pas accepter cette entrave à notre démocratie, ni aucune manœuvre visant à dérober notre droit souverain à l'autodétermination. Le front de résistance, qui est composé des plateformes Arsounou Élections, FC25, F24, FDD, ainsi que d'universitaires et d'experts électoraux, se mobilisent pour un front populaire massif, prêt à défendre avec vigueur notre Constitution et à garantir l'intégrité de notre processus électoral. Nous lançons solennellement un avertissement à tous les partenaires techniques, financiers et aux acteurs économiques nationaux et internationaux toute collaboration avec le régime illégitime de Macky Sall après le 2 avril 2024 sera considérée comme une complicité dans la déstabilisation de notre pays. Les contrats signés sous cette gouvernance illégitime seront sujets à révision, voire à annulation, dans le respect de la volonté populaire exhortant M. Macky Sall et son administration à revenir à la raison. Nous leur demandons instamment de cesser toute tentative de conclusion de contrat qui engagerait l'avenir du Sénégal et de ses ressources. Toute initiative législative visant à établir l'impunité sous couvert d'amnistie sera combattue avec la plus grande fermeté nous, citoyens sénégalais, réitérons notre engagement indéfectible envers notre Constitution, la démocratie et l'État de droit. Face à cette épreuve, notre détermination est totale. Nous ferons échec à toute tentative de violation de notre Constitution et assurerons la préservation de notre souveraineté nationale. Je vous remercie. tënkal leen ko ci wolof dimanche bi ñu jóge nii muy 25 février 2024 Macky Sall xañ nañu suñu droit ñun citoyens sénégalais dem tànni ki kanara wuutu ci bopp réew mi loolu nag suñu aada bi nga xam ni am na juróom benn fukki atax lu teg Macky Sall euh, dogoo nax aada def lolu non seulement dafa violer suñu constitution waye dafa won ma tay autorité bi nek conseil constitutionnel melni ni Macky Sall dafa tànn bëmëx Sénégal ci pax mo xamanteni bi bu ci xasse ba génn ci dana lolu Warangala, la Waraskanwila, wor askan wi la ba paré attaquer suñu principe république wayé front de résistance mi Hamni, art sous sunu élection ak FC 25 FC 24 FD FDD ak ay universitaires ak ay experts électoraux taxaw nañu tém ne duñu bàyyi Macky Sall muy yàq suñu démocratie ñuy euh, yëgal acteurs économiques yi partenaires yi di leen 2 avril 2024 contrat bu ñu signé ak Macky Sall mbaa gouvernement contrat valeur ñaan Macky Sall ak gouvernement ak administration ñu Sénégal fexe ba sàmmal ñu suñu moomeel suñuy ressources te bañ ci def naka su dul noonu amnistie bi ñuy dégg nag bu fekkee nii dañuy jéem a fexe rawale alalu réew mi ci loo xamante ni du loolu kooku itam danañ ci taxaw ñun citoyen Sénégal ñi ngi taxaw pour défendre suñu constitution défendre suñu démocratie ak suñu état de droit Nous xam duñu nangu kenn di suñu ak